le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Messieurs, dames, euh, bonsoir et merci de rester pour la suite des programmes de Studio Kalangou pour suivre le forum, une émission de débat. Aujourd'hui, dans le forum de Studio Kalangou, il sera question des interruptions répétées de la fourniture en électricité et en eau potable. Cause principale, solution envisagée dans dédommagement possible des clients victimes de pertes et dégâts éventuels. Pour débattre de ces coupures qui suscitent tant d'interrogations, nous recevons ce soir Mme Issa Rabiou, membre du collectif pour la défense du droit à l'énergie CODAE. Ousmane Dambaji du réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement, la Nigelec, société nigérienne d'électricité et la société d'exploitation des eaux du Niger, SEN, n'ont pas répondu à notre invitation à la présentation Reilat Bonsoir. Euh, ces dernières semaines, les populations des grandes villes du Niger, notamment celle de la capitale, vivent dans le noir et parfois sans eau en cette période de forte chaleur qui coïncide aussi avec le mois de Ramadan. Donc, euh, Monsieur Malin Rabiou, vous êtes du CODAE. E. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous faire un peu la nuance entre coupure et délestage Oui. Euh, bonjour, madame je vous remercie euh, de nous avoir conviés de temps en temps pour échanger sur des préoccupations nationales, notamment euh, les problèmes d'eau, d'électricité, etc. le délestage, c'est lorsque la capacité qui est disponible ne peut pas servir tout le monde au même moment. Donc, euh, on segmente la ville en plusieurs euh, quartiers. Donc, on dessert telle zone d'une aire à une autre. Après, on dessert euh, d'autres zones. C'est comme ça. Donc, c'est les services de production de l'électricité qui fait cette fragmentation. Donc, pour servir d'une aire à une autre, une zone, d'une aire à une autre, une zone. C'est ça qu'on appelle délestage. Mais la coupure, donc, c'est quand euh, un problème survient, là, c'est presque tout le monde qui est coupé. C'est ça qu'on appelle coupure générale. Oui, qu'ils appellent ça coupure générale. Et il y a des termes que la Nigélec emploie. Ils appellent ça blackout, effondrement du réseau, telle chose. Ils ont beaucoup de termes qu'ils utilisent pour qualifier les coupures générales. D'accord. Et donc, euh, pour parler de ces coupures, selon vous, quelles sont les causes premières euh, liées à ces interruptions de la fourniture en électricité ah, Les causes, elles sont vraiment très, très profondes parce que d'abord, il y a notre dépendance vis-à-vis du Nigeria, qui est un grand problème parce que le Nigeria lui-même, il n'a il pas suffisamment l'énergie électrique. Donc, c'est malgré eux qui nous donne. Mais dès qu'il y a problème, automatiquement, nous, ça se répercute sur nous. Et euh, les autres problèmes ici, c'est la vétusté même des moyens de production. Donc, euh, la Nigélec n'a pas fait, ou l'État n'a pas fait des investissements ces dernières années, à part Gorouvanda, que les gens décrivent. Presque toutes les installations de production euh, existaient depuis les années 80. Eh, on n'a pas tenu compte euh, de la démographie qui croît chaque année. On n'a pas tenu compte des besoins. même s'il n'y a pas la démographie, les besoins industriels exige eh, exigent l'augmentation de la production de l'électricité, etc. Gorubanda aussi, les gens ont beaucoup spéculé par rapport à ça, même si pour ceux qui sont du domaine, quand même, il vaut mieux Gorubanda que l'autre type de location que Nigelec faisait. le groupe que c'est des groupes où Nigelec achète l'essence, le gasoil et en même temps elle loue. Mais au moins, Gorubanda a permis de, de résilier le contrat là et les charges sont un peu moins. D'accord. Merci, Monsieur Rabiou. Je m'adresse à vous, Monsieur Ousmane Dambaji. Le courant n'est pas le seul dans son privé, les abonnés. à la fourniture en eau potable aussi, euh, qui connaît d'énormes perturbations. Comment expliquer ces deux situations Selon vous, est-ce qu'elles sont liées Merci pour l'opportunité, Rahila. Je me joins également à mon ami de Kodaye pour vous féliciter pour tous les efforts inestimables euh, que vous faites euh, dans la promotion de questions de développement pour permettre aux populations effectivement d'être sensibilisées et de connaître les rôles et responsabilités de la mise en œuvre des politiques publiques de développement. Et effectivement, quand on parle d'électricité et l'eau, c'est des choses qui sont liées, évidemment au Niger, mais elles ne devraient pas forcément être liées. Mais au Niger, c'est des choses qui sont liées. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'il y a coupure d'électricité, automatiquement le système euh, d'alimentation en eau potable est coupé. Parce qu'il n'y a pas une autre énergie renouvelable qui peut continuer à alimenter le service. Moi, je dis que c'est un problème de manque de vision stratégique de la part de la société d'électricité et de la part de la société des eaux du Parce que on n'est pas technicien pour entrer dans les choses techniques. Mais moi, je parle en tant que client. J'ai un contrat en bonne due forme avec la société des eaux ou la société d'électricité. À la fin de chaque mois, je paye et quand je ne paye pas, on me coupe. Alors, le responsable ou le fournisseur doit prendre des dispositions nécessaires pour me garantir l'accès à ces services dont je droit et je payais avec charité. Je te parle de manque de stratégie et manque de vision. Comme il a dit, mon ami de Kodaye, et l'État qui détient la Nigélec n'a pas fait des investissements conséquents, n'a pas donné des orientations stratégiques à la Nigélec pour que puisse être capable aujourd'hui d'accroître la production pour essayer d'alimenter un certain nombre de populations. Il a parlé de Gorubanda. Quand Gorubanda a été réfléchi, Gourbanda allait produire 100 MW en complémentarité à ce que la fournissait avant. Mais Gourbanda avait traîné pendant des années. Il a parlé de la croissance démographique, mhm. le quartier se sont augmentés, les personnes se sont augmentées. Du coup, quand Gourbanda a été construite, elle ne pourra pas effectivement répondre aux besoins spécifiques des populations de Niamey. Parce que déjà la population a augmenté mhm. et le besoin a augmenté évidemment. La scène également, ça fait des années ou de longues années qu'il est lié à la fourniture de la Nigélec. Alors, en tant que client, moi, je trouve ça mal parce qu'ils connaissent les moments de soudure. La scène doit effectivement prendre disposition au moment de soudure. Ça ne reste que de trouver un système solaire mhm. qui peut vraiment eh, eh, accroître, créer de l'énergie pour alimenter le système pendant la période de soudure. Mais une fois, tu vois, dès que l'électricité est coupée ou elle est perturbée, on a un problème d'accès à l'eau potable. Et c'est pratiquement c'est l'ensemble du pays, ou en ville comme au village. Donc ça, ça concerne le milieu urbain, où on appelle le périmètre concédé à la Seine où la Seine est en train de vendre de l'eau. Quand tu vas aussi en milieu rural, c'est catastrophique, parce qu'en milieu rural, c'est les groupes aussi qu'on utilise le groupe d'abord il est coûté, il peut tomber en panne à tout moment et la population est privée d'accès à l'eau. Le groupe, vous parlez de groupe, c'est aussi les groupes de la Nigelec. Non, non, bon, pas forcément de la Nigelec, parce que et quand le STEM n'est pas concédé, c'est très technique, euh, qui n'est pas concédé euh, au périmètre euh, de la SPEN, on met une gestion privée. Tu sais que l'État, ça fait de longues années qu'il a transféré les compétences en matière d'accès à l'eau aux collectivités. Mhm. Donc, quand l'État construit un forage, il fait les installations, il donne à la commune. Et la commune cherche un délégataire, un privé, mhm. qui va mettre tous les dispositifs et maintenant gérer l'eau, vendre l'eau et gérer l'ouvrage. Mais on doit mettre un groupe électrogène, lequel on doit mettre du carburant. Donc, c'est caduque. Un groupe peut tomber en panne il peut y avoir manque de carburant. Et donc, le groupe tombe en panne, la pression est le privé de l'eau comme à Niamey, ce que nous connaissons avec la Nigélec. Dès que le groupe manque de carburant, la population est privée d'accès. On constate aussi que les groupes tombent le plus souvent en panne pendant cette période de Absolument. C'est pour cela que certains partenaires et avec l'État aussi en train de changer de paradigme en matière de, de la fourniture d'électricité au village en faisant raccorder les châteaux ou bien les, les, munis AEP avec les systèmes solaires. Et là, on gagne en termes de temps et on gagne en efficacité. Mhm. Donc aujourd'hui, euh, la politique de l'accès à l'eau, elle est nationale. Imagine aujourd'hui, à l'heure actuelle, tous les centres qui sont concédés à la semaine, aujourd'hui connaissent de sérieux problèmes. À Zender, par exemple, les gens peuvent faire 10 jours sans se laver, 10 jours sans avoir une goutte d'eau. Nous avons Niamey. Tu vois, à Niamey, c'est un quartier, une semaine toutes les régions du Niger et même les arrondissements ou les départements où, en tout cas, c'est lié à la Nigélec, nous connaissons cette perturbation. Alors qu'on ne devrait pas la connaître parce que nous payons le service. Mais notamment, Zender est connu pour avoir été toujours dans ces problèmes-là pour l'accès à l'eau potable. Les raisons euh, seraient qu'il y a des roches euh, qui empêchent d'accéder à l'eau. Comment Tu sais, la nature géologique des sols au Niger et la rareté des cours d'eau rendent pénible et aléatoire l'approvisionnement de cette ressource en eau. Zender est bâti sur les socles granitiques. Qu'est-ce qu'on appelle socle granitique C'est-à-dire que ça ne favorise pas la recherche rapide de la nappe. C'est-à-dire l'eau n'est pas assez importante, on ne peut pas faire des forages importants. C'est pourquoi les gouvernements qui sont succédés ont créé des conditions quand tu prends le champ de captage de Ganaram, mhm. quand tu prends le champ de captage de Arunguza, qui est à 25, 24 km de Zender, qui fournissait l'eau à Zender. Et avec la croissance démographique, comme il est dit, c'est difficile. Maintenant, avec l'avènement de ces régimes, il ne faut pas le cacher, ils ont investi 21 milliards de francs CFA pour créer 22 forages à, Ganaram pour alimenter à travers une conduite sur 5 km Zender. Et mieux, Zender a été raccordé, d'autres questions ont été raccordées, il y a de nouveaux villages qui ont été raccordés comme Diné et Myria. Mais malgré tout, il y a ces problèmes. Pourquoi il y a problème à Zender Il y a problème aujourd'hui à Zender tout simplement parce que il y a deux éléments essentiels. Le premier élément essentiel, c'est la SORAS qui constitue le véritable handicap pour la région de Sender. SORAS, en tant que société privée, doit créer son champ de captage et faire ses forages. Maintenant, SORAS est raccordé au champ de captage de Arunguza et la consommation de SORAS fait deux fois celle de Zender. Du coup, Zender ne peut pas avoir l'eau. Aujourd'hui, grâce à l'électricité, sur le 22 forages, il n'y que 7 qui fonctionnent, donc jusqu'à présent, les problèmes existent. Si on veut que Zender rompe définitivement avec les problèmes d'eau, il va falloir imposer à la SORAS d'aller trouver son champ de captage, faire ses forages et être raccordé directement à son champ de captage. Pour que Zander puisse euh, souffler. Merci, M. Dambaji. M. Malarabiou, vous êtes euh, du CODAE. Donc, euh, la Nigélec produit de l'électricité et aussi une partie vient du Nigeria. Ici, à Niamey, est-ce qu'il y a d'autres installations à part la centrale de Goudel Comment se fait la fourniture Comment ça se passe la centrale centrale de Goudel n'existe même plus. Et GELEC a procédé à son. Comment je peux appeler Quand même, le, PC4 de Goudel n'existe plus. Il est, il est, en fin de vie, comme on l'a dit. Mais C'est celui dont le directeur général a parlé dernièrement, oui, oui, qui était irréparable, c'est ça Oui, oui, il est Selon irréparable, il est en fin de vie. Mhm. Et ils ont des moyens de production au niveau de la zone industrielle. Et avant, il y avait cette usine de la route euh, qui va à Tlaveri. Mhm. C'était une usine, mais qui ne produit plus. Donc, euh, maintenant, l'essentiel de la production pour la ville de Niamey et ses environs, c'est Gorubanda, maintenant plus l'arrivée du Nigeria. Gorubanda, dont un des groupes euh, n'est pas fonctionnel selon toujours euh, le directeur euh, de la Nigelec, Il disait qu'un groupe était en panne. Oui, un groupe était en panne ou euh, aussi avec l'élévation de la température, ça impacte même les autres groupes qui tournent. Donc mhm. au lieu de d'être à mesure de donner 20 mégas, ils ont moins de ça. le problème de la production de l'énergie, c'est un problème très complexe donc euh, l'État n'a pas été trop visionnaire. Ce n'est pas des petites euh, centrales ponctuelles qu'il faut pour euh, ravitailler, pour desservir tout un pays. Tous les pays qui se sont développés, ils ont d'abord mis l'accent sur la production de l'énergie électrique en quantité industrielle pour satisfaire les besoins domestiques et les besoins industriels. Donc le Niger avait vraiment beaucoup d'opportunités, notamment avec la centrale de Selkadamna, qui le barrage de Kandaji qui ont beaucoup tardé. Mhm. Oui. Et éventuellement, le programme électronucléaire qui devait s'acheminer avec la construction d'une centrale nucléaire. C'est en cette période de chaleur que les coupures s'intensifient. Euh, comment expliquer cela C'est en cette période de chaleur que les services, les domestiques ont besoin plus d'énergie parce que il faut mettre en marche les climatiseurs, si c'est à la maison, les brasseurs et autres. Donc le besoin est plus élevé en cette période. Et en cette période, les équipements de production, eux aussi, subissent à la température, donc qui euh, modifie leurs caractéristiques générales de fonctionnement. Mhm. D'après certaines informations qu'on a reçues, donc, euh, dit à ces problèmes d'échange au niveau de, la température, au niveau d'un des groupes de Gorubanda, au lieu qu'il soit à mesure de donner 20 MW, il donne 11, 11 MW. Ça, c'est des informations qu'on a reçues par Donc, mhm. la chaleur influe non seulement sur le besoin, mais même les équipements de production, de production. parce qu'eux-mêmes subissent euh, en conséquence euh, cette élévation de la température. Et ça crée beaucoup de manques dans la production. Merci, M. ou M. Dambaji. Vous êtes journaliste euh, qui œuvre pour l'accès à l'eau. Donc, euh, quelle est la situation de l'accès à l'eau ici au Niger euh, La situation, elle est très catastrophique. Mhm. Mais pas parce qu'il n'y a pas eu des efforts, elle est très catastrophique en manque de vision. Par exemple, aujourd'hui, nous avons un taux d'accès à l'eau potable en milieu urbain qui est de plus de 95%, ce qui est vraiment réduisant, ce qui est extrêmement important. Mais en milieu rural, nous sommes à 46%. Et la grande majorité des populations se trouvent en milieu rural. Absolument. Mais ce qu'il faut comprendre de l'accès à l'eau potable, c'est beaucoup de contours. Il y a d'abord l'hydraulique pastorale, l'hydraulique rurale et l'hydraulique urbaine. Mhm. L'urbaine, c'est ça qui est, comme je t'ai expliqué, le périmètre concédé à la Seine ou la Seine vend de l'eau. Mhm. Le rural, c'est ce qui est donner à, travers le transfert de compétences aux collectivités. Quand l'État réalise un forage, tu sais, avant, les forages en milieu rural sont en gestion communautaire. Quand l'État réalise un forage à des frais exorbitants, on met un comité de villageois qui gère. Quand le, forage tombe en panne, on appelle l'État pour le réparer. Et imaginez combien de, temps, par, jour, combien de forages peuvent tomber en panne et l'État, avec sa lourdeur, ne pourra pas apporter une réponse, en tout cas euh, urgente. L'État a dit je transfère les compétences en matière d'accès à l'eau aux collectivités. Quand je réalise un forage, je donne la responsabilité au maire. C'est au maire de trouver un délégataire qui doit vendre l'eau, prendre ses bénéfices et garder une caisse en cas de panne. Vous réglez ces problèmes. Et les mm-hmm. textes disent, les textes disent que on ne peut pas avoir une panne de plus de 48 heures, sinon c'est pas normal. L'avantage qu'on a au Niger, c'est que l'accès à l'eau est un droit fondamental mm-hmm. reconnu par la Constitution. Et toute la politique du secteur de l'eau, c'est l'État qui la détient. L'État a fait des efforts en réformant le secteur de l'eau. Quand tu prends le secteur urbain, en, de 2011 à 2017, l'État a mobilisé des ressources, a injecté 200, plus de 212 milliards uniquement pour réformer le secteur. On a fait des conférences pour expliquer aux gens. À travers cette réforme, l'État a subventionné, l'État a eu pitié des familles vulnérables mhm. en amenant le prix de l'eau de mètre cube à 127 francs. Ça, je défie tout le pays de la sous-région. Il faut consommer 10 mètres cubes pour être facturé à 127 francs. L'État a dit au-delà de 2 mètres cubes, vous n'êtes plus une famille vénérable. Donc les gens, ça c'est une opportunité inestimable que l'État offre à ceux qui sont dans le périmètre concédé, ceux qui sont naturellement, dans le périmètre de la, de la, Oui. Mm. rural également, c'est vrai, ceux qui en gestion déléguée aussi, ont des avantages, en gestion communautaire ont des avantages. Mais l'un de l'autre, il n'y a pas eu de vision stratégique en matière qu'on lie les investissements à la croissance démographique. Mhm. Aujourd'hui, quand tu prends l'ensemble du Niger, tout le monde pleure. On a parcouru récemment toutes les régions du Niger. Vous avez des villages qui n'ont même pas un puits. Vous avez des villages, quand quelqu'un décède, pour laver le corps, il va falloir faire des portes à porte dans le village pour avoir un petit machin pour venir faire le bain pour amener la personne au cimetière. Donc ça, c'est un problème. Mhm. Nous avons vu des femmes qui passent de 20h à 6h du matin sur un puits, excuse-moi, pour avoir de l'eau. La situation, elle est catastrophique. Donc, il y a des efforts qui ont été faits, mais beaucoup reste à faire justement parce que pratiquement le système est raccordé à la Nigélec. Et c'est pour cela, si on veut que le système soit stable, d'abord il y a deux choses. La première chose, c'est que l'État doit réformer le secteur de l'électricité. On doit privatiser la Nigélec, donnée à un privé qui peut être capable de nous fournir le service à temps, dans le temps. Mhm. La Seine également, il faut qu'elle prenne des dispositions nécessaires pour qu'elle raccorde ses installations aussi au système solaire, parce qu'à l'avenir, qu'on ne connaîtra pas ces perturbations. Mieux, c'est pour dire qu'il faut encore comprendre que la politique de l'eau n'appartient pas à la Seine la scène n'est qu'un vendeur, c'est comme un garois. Mhm. C'est pour cela, souvent, quand vous invitez les gars de la scène, ils ne viennent pas. Ils n'ont rien à dire. C'est l'État qui détient la politique, le prix, toutes les stratégies, c'est l'État qui le fait. Et l'aspect. Au niveau des régions du fleuve, l'eau distribuée est plus tirée du fleuve. Donc, euh, avec euh, le niveau du fleuve qui est en train de baisser drastiquement, qu'est-ce que vous voyez pour l'avenir pour notre euh, pour l'avenir c'est <laughs> l'approvisionnement Il n'y a pas de souci pour l'approvisionnement en eau potable pour l'avenir. Il suffit tout simplement de croire et d'accompagner, en tout cas, le barrage de Kandaji. Pourquoi l'eau On n'a pas de l'eau parce qu'il n'y a pas de barrage qui nous retienne l'eau. Mhm. Une fois qu'il y a un barrage qui retient l'eau, on peut avoir l'eau en permanence et il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, quand le barrage de Canaï sera réalisé, vous allez voir, c'est un ouf de soulagement et ça va raccorder tous les villages. Maintenant, le, problème, c'est le problème des zones insulaires à Tel mhm. Quand j'appelle les zones insulaires, c'est qu'ils sont dans des îles. Jusqu'à présent, on n'a pas de pont ou on n'a pas de grands bateaux qui peuvent relier une île à une autre. Donc, du coup, pour faire un forage, ça va être difficile parce que c'est du matériel qu'il faut transporter pour aller dans des pirogues. Est-ce qu'on peut transporter un, euh, un, Donc, tu vois, du coup, on a des problèmes on est obligé de faire le système de traitement de l'eau. Et ça, ça ce n'est pas durable. Mhm, mhm. Évidemment, la population va être contaminée. Donc, des réflexions sont engagées. Et surtout, la première solution, c'est le barrage de Kandaji, jusqu'à Terra. Si tu as vu à goûter goûter c'est directement un, petit moteur qui tire l'eau. Et dès que l'eau se retire, c'est des problèmes. Et pratiquement toutes les villes qui sont situées sur le fleuve, c'est comme ça également Niamey. Niamey, il y a une petite chance qu'on a. Et si tu te souviens, l'année dernière, le Premier ministre était parti avec la presse. Euh, on a mis des sacs, machin, là, pour bloquer l'eau. Donc, un petit forage, je ne sais pas comment ils appellent techniquement, s'il n'y a pas l'eau, on n'a pas l'eau à Niamey. Mais si on sauve cet espace-là, on va avoir l'eau en permanence, comme un nid qui retient l'eau du fleuve. Oui, oui, effectivement, c'est ça qui va Merci Dambaji. Donc, M. Euh, Monsieur Rabiou, dernièrement, le directeur général de la Nigelec a énuméré les problèmes euh, auxquels sont confrontés la société. Il a par ailleurs indiqué que le problème de la fourniture de courant sera résolu d'ici mi-juin. Donc, euh, comment voyez-vous les choses en attendant cette période Nous souhaitons que cette promesse se, réalise. Certainement, ils vont mettre le paquet sur que, tous les quatre groupes de Gourvanda produisent un euh, régime normal, mhm. c'est-à-dire chaque groupe arrive à produire les 20 MW, au moins on aura 80 au niveau de Gorubanda. Mhm. Et avec ceux qui viennent du Nigeria, ça peut couvrir le besoin en mhm. attendant. Aussi, nous avons entendu cette annonce de la construction très prochaine d'une centrale thermique à Niamey de 53 MW euh, et une autre à Zander de 23 MW. Bon, tout ça là, pour moi, je trouve que ce n'est pas des solutions durables parce que le pays a besoin de plus que ça. Certes, ça peut apporter un ouf de soulagement juste pendant un petit temps, mais le pays a besoin de plus que ça. C'est des grandes centrales qu'il faut pour les besoins euh, du développement du pays. Avez-vous une idée de la quantité d'énergie qu'il faut pour couvrir euh, le pays ou Niamey, par exemple On a une idée, il y a des chiffres. Le taux d'accès tourne autour de 10% actuellement. Lequel Là, qui est 10% Niamey, zone urbaine ou tout, le Niger taux global, Seulement avec une grande disparité donc entre la, zone rurale où vivent plus de 99% de la population. Là-bas, ils sont couverts à, 1%. Mais la zone urbaine, là où vivent juste 1% de la population, là, le taux de couverture est élevé au-delà de 80%. 80% de ces 10%. Oui, c'est-à-dire le, le, milieu urbain, lui, il est suffisamment couvert. Mm-hmm. Mais c'est le milieu rural mais malheureusement, où il y a la majorité, plus de la majorité de la population, c'est là-bas qui est mal couvert. Quelle est votre appréciation de ce taux de couverture euh, C'est le taux le plus bas au monde. C'est le taux le plus bas au monde. Et le nombre d'heures de coupure par an aussi, c'est le plus élevé au monde. En 2015, on, était parti à Dakar dans un cadre euh, entre organisations de la société civile de l'Afrique de l'Ouest dans le domaine de l'énergie. Il y avait eu des, communications et le Niger a été présenté comme un des pays où on fait plus de 1000 heures de coupure par an. Donc 1000 euh, heures de coupure, c'est environ deux mois de, travail perdu, oui, parce que comme si les Nigériens travaillent juste 10 mois sur 12 mhm. à cause des coupures de la Nigeria. Et il y avait eu des engagements des autorités ivoiriennes et qui ont suivi. Déjà en 2015, et le nombre de coupures par an, c'est 48 heures. Et ils ont promis qu'en en 2016, ils vont ramener ça de moitié. À 24 heures. Euh, oui. En 2017. Et les investissements ont suivi. Actuellement, la Côte d'Ivoire est autour de moins de 10 heures de coupures par an et le nôtre a continué à augmenter. On continue, voire même pire. Parce de 2017-2018, la situation est pire que 2015. Donc en faisant les estimations, on dépasse largement les. <laughs> on dépasse largement les milliards de coûts. <laughs> D'accord, merci Monsieur Rabiou. Monsieur Dambaji, donc quelle est votre appréciation de ce taux d'accès comparativement à celui de l'eau qui est de 95 10%, c'est... La question, la question n'est pas au niveau d'appréciation, c'est la question, elle est au niveau de la logique de la chose. Et moi, je pense qu'il y, a, y a beaucoup de problèmes. Quoi. Le premier problème, c'est quoi c'est que les sociétés, qui s'assoient de rester au dos, ne mhm. sensibilisent pas les populations par rapport au gaspillage. Les gaspillages peuvent faire en sorte que la fourniture se coupe et on n'a pas assez de la fourniture. Mhm. Imaginez nos installations aujourd'hui, ces installations qui consomment beaucoup d'électricité. Nous aussi, souvent, on laisse la clim allumée, on laisse les ampoules allumées pendant deux heures et d'autres en ont besoin. Idem pour l'eau. Surtout qu'il y a des appareils basse consommation. Absolument. Idem de l'eau, la consommation, imaginez aujourd'hui, l'État a à peu près 13 à 14 milliards de factures impayées pour la Seine. Les factures, là, qu'il a consommées, c'est les grandes euh, sociétés d'État, par exemple, quand tu parles de la compagnie, il faut aller à la compagnie voir ce qui se passe en matière de et d'eau. Tu vas voir des pompes qui sont ouvertes du matin au soir pendant un an, deux ans, qui coulent. Alors que s'ils étaient fermés, on pouvait desservir certains quartiers. Mm-hmm. Idem pour les, il faut avoir les hôpitaux. comment est-ce qu'on consomme l'électricité L'eau, aujourd'hui, on est à 13 à 14 milliards d'impayés. Imagine le tester, c'est 100 milliards alors que l'État va verser. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a un changement de comportement à faire. Mais c'est les sociétés-là qui doivent créer les conditions pour sensibiliser les gens par rapport aux installations, par rapport au gaspillage de la ressource pour que nous puissions économiser et de servir d'autres personnes. En Europe, c'est des systèmes qui se font par, je ne sais pas, dès tu rentres dans le couloir, ça s'allume, tu quittes le couloir, ça s'éteint. Détecteur de mouvement. La ressource, on n'a pas assez, elle est, insuffisante. Donc, vous voyez, il faut qu'on crée des conditions pour qu'on la gère bien. Et la meilleure solution, c'est de privatiser la Nigélec. Quand qu'on soit c'est que va faire en termes d'investissement, d'abord, c'est des investissements cadiques mhm. et la Nigélec ne pourra pas satisfaire le besoin des Nigériens en matière d'électricité. Il faut qu'ils disent la vérité, il faut qu'on vende la société à ceux qui sont capables de casser le prix, parce que l'avantage quand on la privatise, l'électricité peut nous coûter moins cher. Oui, parce que à qui on va vendre, il faut quelqu'un qui, qui, est de la technologie, quelqu'un qui a des installations, qui peut raccorder ça à un système solaire, et ça peut rabaisser le prix effectivement de la, de Idem, tu as vu l'eau quand ça a été privatisé, l'eau aujourd'hui ça va comparativement à ce que les gens disent. Et mieux, pour l'eau, il faut encore réformer le secteur. Il faut taxer ceux qui consomment l'eau plus pour pouvoir supporter d'autres qui n'ont pas besoin. Mm-hmm. Idem pour l'électricité, il faut la privatiser et taxer ceux qui consomment l'électricité pour pouvoir raccorder ceux qui n'en ont pas dans un système assez en tout cas équitable. La centrale de Gorubanda est en activité depuis deux ans. Quel est le changement que vous avez constaté dans la Aucun changement. énergie Aucun changement, plutôt même, c'est une perte énorme pour le pays, parce qu'on était à la conférence d'émergence africaine qui se tient chaque deux ans avec le système des Nations Unies et tous les bailleurs de fonds. Et la Banque africaine de développement avait annoncé que l'Afrique doit être éclairée. Si l'Afrique doit être éclairée, il faut obligatoirement utiliser les énergies solaires. À travers le solaire, on va accroître la production agro pastorale créer de l'emploi à la jeunesse et l'économie va être développée. Mais avec ce système de Gorubanda, nous sommes véritablement en retard. Nous avons un, potentiel extrêmement important en matière de solaire et il faut qu'on l'exploite comme le Maroc et autres pays. Mhm. Mais tant qu'on va rester dans le carcan de Gorubanda pour faire profiter déjà, imaginez aujourd'hui à Gorubanda combien des litres de gasoil ou de machins qu'on consomme inutilement. C'est tout simplement pour faire enrichir une chaîne de personnes. Il y a aussi la pollution. C'est ça la pollution. Donc moi je pense qu'il faut qu'on qu'on change de paradigme en matière de questions de développement. Il faut se dire la vérité. Il faut qu'on ait dans une, vision globale de développement de tout le monde. Les Nigériens doivent avoir en tout cas un environnement euh, décent, un environnement en tout cas sain et une vision assez holistique pour tout le monde. Merci Ousmane Dambaji. Euh, Monsieur Rabiou du CODAE, euh, des dommages peuvent être causés sur les appareils des abonnés de la Nigérienne d'électricité et avec euh, ces coupures et consorts. Est-ce que, selon vous, la société a l'habitude de, dédommager ces personnes-là qui, qui perdent leurs appareils Oui, il existe des mécanismes par lesquels un abonné qui a subi un dommage peut se faire réparer le dommage. D'abord, si l'abonné a enregistré l'équipement euh, en prenant la police d'abonnement, donc euh, la Nigélec reconnaît l'existence de ces paris. Maintenant, au moment de la coupure, quand l'abonné arrive à noter l'heure de la coupure, le jour, il peut euh, effectivement s'adresser à la Nigélec pour exiger un dommage par rapport à un équipement qui a perdu si, réellement il est établi que eh, l'appareil est détruit à cause euh, des perturbations du courant électrique. Est-ce que ça marche vraiment, cette procédure Ça ne marche pas très bien parce que la nigelec a des avocats rompus à la tâche qui sont prêts à démontrer que Nigélec n'est pas responsable du dégât. Donc, euh, c'est en fait, c'est un processus qui dure et que la plupart des abonnés, même qui, qui, qui, ont commencé la procédure, abandonnent parce qu'ils voient que c'est une perte de temps aller, revenir, et ils n'arrivent pas jusqu'au bout. Mais sinon, le mécanisme existe pour qu'un abonné s'efface de dommages suite, à un dommage. Dans ce cas, si le mécanisme est là et que ça ne marche pas très bien, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas Bon, c'est à nous autres euh, consommateurs de nous réorganiser pour mieux défendre nos, intérêts. J'aimerais, avant de vous remettre la mhm, parole, mmh, J'ai entendu M. Dambaji parler deux fois de la privatisation de l'Angela comme solution, mhm. selon lui. En fait, euh, moi, je trouve que il est très tôt d'abord de penser à ça. Ou bien, quand on regarde la privatisation avortée de la Sonitel, ça, ça doit interpeller la conscience. C'est-à-dire, à la situation actuelle de la Nigélac, si on dit qu'on va la privatiser, ça sera un bradage parce que c'est une société qui n'est pas euh, en bonne santé, excusez-moi du terme. Donc, et dans un pays, le mécanisme pour ravitailler le pays en énergie électrique, il y a trois étapes différentes. Dans d'autres pays, ces étapes-là, elles sont gérées par des entités différentes. Quelles il y a, sont ces étapes Il y a la production. Donc, euh, même en France, il y a des usines qui produisent l'électricité. C'est ça leur travail. Il y a le transport, donc l'acheminement de l'énergie électrique produite des centrales au centre urbain. Là aussi, c'est un service dédié à certaines structures. Et puis, il y a maintenant l'exploitation, ou si vous voulez, la distribution, c'est-à-dire vendre ça aux abonnés. Là aussi, c'est une entité différente, c'est une étape différente. Donc, euh, pour moi, si on demande mon avis, c'est d'abord. Je demande votre Première chose, il <laughs> faut restructurer la Nigélec. Il faut séparer les trois étapes-là. Maintenant, dans les trois étapes, voir qu'est-ce que l'État peut être 100% garant. La production, on sait que ça coûte cher. On peut dire au privé, tout le monde de venir produire. Mhm. Le transport, ça, ça doit être de la souveraineté de l'État. C'est à l'État de construire le réseau électrique. Donc, tous les producteurs, ils produisent, ils versent le réseau. Maintenant, la distribution, on peut laisser ça à la Nigélex sous sa forme. Euh, Donc, la Nigélex, sous sa forme actuelle peut gérer la distribution en attendant. Mais quand même, à, la situation actuelle, vraiment, si <laughs> on, pense à privatiser la Nigélex, ça sera un bradage, ça sera un gâchis que nos enfants ne vont jamais nous pardonner. Ça sera un bradage total parce que c'est un patrimoine qu'on a hérité depuis des années et, qui qui marche pas. Euh, même si ça ne marche pas, on doit créer les conditions pour que ça marche. <laughs> Voilà, c'est votre avis aussi. Donc, euh, la construction du barrage de Kandaji, on en a parlé, procurerait à une certaine partie du pays une indépendance euh, énergétique. Alors, d'ici là, quelles sont les solutions à court ou moyen terme La seule solution que <laughs> je vous dis, et, la, et la c'est la solution de la privatisation. Quand on parle de la privatisation, c'est quand quelque chose ne marche pas, on privatise. Et privatiser pas dire que bazarder, parce que l'État est toujours à une action dedans. Et dans l'action de l'État, il peut se structurer, par exemple, le transport ou ce que tu viens de dire. Mais, la, mais privatiser la Nigelec, c'est la meilleure solution. Aujourd'hui, il faut recenser les factures des services statiques à la fin du mois. Il y a des gens en ce mois de carême qui passent la journée et qui laissent la clim allumée jusqu'à demain matin. Ah. Imaginez si ça a été privatisé, l'État vous donne juste la consommation mensuelle vous n'allez pas oser la consommer avant la fin du mois. Mais comme c'est l'État, je parle de l'eau. Je te parle de 14, 13 à 14 milliards d'impayés que les gens ont consommés, que l'État va payer sous les impôts des autres. Imagine la Nigérique alors. Aujourd'hui, nous sommes à combien Parce que l'eau, l'électricité coûte deux fois ou quatre fois plus cher que l'eau. Donc, si avec l'eau, on a 14 milliards d'impayés, mais cherche 100 milliards pour l'électricité. Et ça, ce sont les impôts. C'est les impôts de parents qui sont au village qui payent le luxe de certaines élites qui sont à Et ça, c'est ça qui crée de l'injustice, qui crée les inégalités extrêmes qui sont source de beaucoup de problèmes aujourd'hui. La solution, l'État privatise avec des conditions normales, il cherche un repreneur, mais avec des stratégies, c'est l'État qui donne les L'État n'abandonne pas, il a une action dedans pour dire que voilà ce que je vais faire. Même l'eau, l'État n'a pas tout vendu. L'État aujourd'hui, il n'a pas tout vendu, il a une action. Regarde simple l'hôtel Gaoué que les gens refusent que l'état privatise. Mhm. L'Hôtel Gaoué le seul joyeux que nous avons est de laisser à l'heure parce que c'est pour l'État. Moi, ça me fait mal. Très mal. Et je le dis très honnêtement, quand je vois des gens qui aillent chez les Chinois, à Solix, payer des prestations alors que nous avons Hôtel Gaoué qu'on doit sauver. Tout le monde part aujourd'hui à Niamey pour des conférences à l'hôtel Solix. Ah, c'est les ressources qui vont en Chine, qui ne sont pas, c'est ça qu'on appelle fuite de capitaux. Alors que si c'est que nous avons en termes eh, euh, des patrimoines nigériens, patrimoine nigérien, les gens soutiennent ça, vous allez voir que ça va, ça va marcher. Mhm. Mais si ça ne marche pas, il faut privatiser pour permettre aux gens de bien vivre. Aujourd'hui, on va rester comme ça. Est-ce que vous savez le nombre des, des, des, préjudices qu'un cause aux gens aujourd'hui L'économie est au ralenti. Tous ceux qui sont liés au, au réseau sont, sont carrément à terre en termes d'économie. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Et on ne peut pas, parce que tout simplement, on veut sauvegarder un développement national qui ne marche pas, pour dire qu'on ah, va laisser les gens faire. Aujourd'hui, la Nigélec, vas-y voir les dépenses en termes de personnel. Il faut aller voir les dépenses en termes du matériel. Le véhicule qu'on peut payer à 80 millions, on donne à un directeur qui cabosse le véhicule à, deux, à moins de trois mois parce que c'est l'État. <laughs> non. Donc, euh, on revient. Alors, selon vous, quelles sont les solutions que pourrait adopter la société d'exploitation des eaux du Niger pour que les populations ne manquent plus d'eau au robinet la solution ne revient pas à la société. Comme je vous ai dit, la uh-huh. société, c'est un, un vendeur. On peut, arracher la gestion, on peut te donner comme on peut me donner. Uh-huh. Donc, c'est juste un prestataire. La solution revient à l'État uh-huh. en, euh, euh, en tant que garant de toutes ces, choses, l'État doit avoir des politiques publiques. Et nous l'avons dit, si on veut disponibiliser l'eau en milieu urbain, il va falloir que l'État réforme une fois de plus le secteur. Nous sommes conscients que l'État a fait des efforts inestimables pour les pauvres, je viens de le dire. Mhm. Millimètre mm 3 cube à 127 francs, ça ne change pas. Mais nous voulons que l'État taxe, change le prix à partir de 10 mètres cubes pour que tous celui qui consomment l'eau, plus de 10 mètres cubes, qu'il paye au prorata de son gaspillage. Et en ce sens, on mobilise des ressources pour aller investir là où l'État n'a pas le moyen d'investir. Faire des châteaux à ceux qui n'ont pas. Aller créer du forage à ceux qui meurent de soif, à ceux qui tombent dans le puits pour avoir un seau d'eau, à ceux qui parcourent des kilomètres pour avoir un seau d'eau. Mhm. Moi, c'est en ce sens que l'État va créer la légalité, va créer, va être juste envers nous-mêmes voilà le seul message si on veut vraiment disponibiliser l'eau dans la durabilité. D'accord, merci Ousmane Dambaji du REGEA, M. Malin Rabiou du CODAE. Quels euh, mots avez-vous à l'endroit des utilisateurs, notamment concernant l'utilisation des appareils euh, pour qu'ils ne tombent pas en panne en cas de coupure euh? Nous souhaitons d'abord que la Nigélec stabilise sa production parce que c'est d'abord ça. Maintenant, pour les équipements ou les appareils très sensibles, eh, il est conseillé vraiment aux gens d'acheter des régulateurs pour les brancher. Par exemple, eh, il ne sert à rien d'acheter une télé écran plat à 600 000, 700 000, venir brancher ça directement sur la prise. Eh, la première coupure qui vient, on vous détruit, c'est vraiment un gâchis. Donc nous conseillons ceux qui vraiment arrivent à payer des, équipements chers, comme les télécrans plats, les frogos, les réfrigérateurs très sensibles. Mhm. Donc, vraiment, il faut payer des régulateurs. ça protège l'appareil au moins des, perturbations de la Nigelec. Mais le mieux aussi, c'est de demander à la Nigelec de stabiliser sa production et qu'il n'y ait plus ces coupures répétitives parce que ça, ça dérange pas seulement nos appareils, même nous, ça nous dérange. Ça dérange beaucoup, ça empêche de travailler etc. etc. Ça, Donc, impacte eh, sur l'économie. impacte sur l'économie et tout, et tout. Non, vraiment, je, je maintiens. Certes, je suis convaincu que à la situation, à l'état actuel, la Nigélec ne profite pas à l'état du Niger. La Nigélec ne profite pas aux citoyens. Mais quand même, on doit réfléchir. Les Nigériens doivent suffisamment réfléchir pour décider de ce qu'elle doit devenir avis partagés. Le seul message c'est le pardon. Même s'il y a problème, nous sommes euh, culturellement des gens qui sont très sensibles aux problèmes. problème. Moi je pense que les gens doivent comprendre quand c'est arrivé, on doit pardonner, on ne doit pas en tout cas se chamailler, on doit trouver des solutions ensemble, on doit prier pour que les choses s'arrangent. Et ensemble, on pousse l'État à trouver des solutions très idoines, des solutions en tout cas durables, mais pas de la tension. Mais je pense que aussi les sociétés doivent communiquer, doivent intensifier la communication pour faire comprendre aux gens, voilà ce qui se passe. Mhm. Par exemple, on sait que la pénurie arrive, que ce soit électricité ou eau à partir de ce mois. Mhm. Deux mois, trois mois avant, on prépare les gens pour dire, écoutez, cette année, et vous allez vous excuser, on va s'attendre à telle perturbation. Et là, les gens sont préparés. Et là, c'est vraiment de soutenir les sociétés, quand qu'en soit la situation on va les soutenir et les accompagner et vraiment avoir un langage euh, très doux pour que vraiment euh, les choses s'améliorent avec des conseils pour le bien-être des populations. Plus de communication. Merci, M. Dambaji. C'est ainsi que s'achève ce forum axé sur les interruptions répétées de la fourniture en électricité et en eau potable, cause principale, solution envisagée dans dédommagement possible des clients victimes de pertes et dégâts éventuels. Retenez que les coupures constatées dans la distribution de l'eau à Niamey et alentour par la société d'exploitation des eaux du Niger Seine seraient liées au manque d'électricité. Et la Nigelec, euh, principal producteur et distributeur euh, d'énergie électrique, euh, je cite, ne profite ni à l'État ni aux consommateurs, estiment nos invités. Toutefois, leur avis reste partagé quant à comment solutionner la situation de cette société qui peine à couvrir les besoins en énergie de ses abonnés. L'un parle de réformer le secteur de l'énergie en privatisant la Nigelec et l'autre pense que la Nigérienne d'électricité doit être gérés par différentes entités pour la production, le transport et la distribution de l'énergie. Enfin, la Seine pourrait raccorder son système de production à une source d'énergie solaire pour être à l'abri d'éventuelles perturbations, Estime nos invités. Pour parler de la thématique, nous étions avec euh, Madame Issa Rabiou, membre du collectif pour la défense du droit à l'énergie CODAE, Ousmane Dambaji du réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement, et nos invités de la Nigelec et de la Seine à qui nous avons fait appel n'ont pas répondu à notre invitation. Merci à vous, chers invités, de nous avoir honorés de votre présence dans ce studio et aussi à vous, chers auditeurs, d'être restés à notre compagnie. Prochain rendez-vous du forum de Studio Kalangou demain à 18h15 sur nos 38 radios partenaires. C'était Raylette Soumana à la présentation et Issa Laoli à la technique. Au revoir.